Ça fait deux ans qu'un groupe de huit girafes ont été transloqués de Gouré à la réserve de Besper de Gadebej. En tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, tous les huit individus sont en bonne santé. Nous avons mis en place un bon système de suivi, un suivi de proximité qui nous permet de suivre régulièrement sur le terrain. Et vraiment, elles se portent euh, très bien. on a commencé déjà à observer des comportements d'accouplement. Ça veut dire que vraiment, on a de l'espoir en matière de reproduction. Comme vous le savez, c'est des individus qui sont très jeunes qu'on a amenés. Il leur faut au moins 2 euh, à 3 ans avant qu'ils commencent à se reproduire. C'est une espèce qui est un peu euh, difficile à, contrôler, mais quand même, Dieu merci, pour le sang, tout va très bien. Est-ce qu'elles sont adaptées du milieu Oui, vraiment, elles sont bien adaptées. C'est vrai, il y a eu des moments où elles sortent hors réserve, mais quand même, elles, ne vont pas loin. Grâce, à la collaboration de la population, nous sommes informés de leur mouvement partout où elles vont. Si on considère qu'elles ne sont pas en danger, on les laisse faire leur pâturage. Si on considère que l'endroit où on nous a signalé leur présence est un peu dangereux, donc euh, nous avons des éco nous avons des éléments qui les, qui canalisent vers la réserve. Mais quand même, vraiment, elles sont bien adaptées au milieu parce que le milieu est très favorable en matière de pâturage. Il y a de l'eau aussi en permanence. Comme je l'avais dit, c'est des, individus très jeunes qu'on a amenés de la réserve rien que pour la période de gestation, elles font 15 mois de, grossesse. Donc ça veut dire que même si on, si espère que cette année qu'il y ait des, gestations, peut-être il faut l'année prochaine pour qu'il y ait euh, des mises bas. Donc euh, vraiment, pour le moment, dès lors qu'elles se portent très bien, elles sont adaptées au milieu, on peut espérer des naissances prochainement, Inch'Allah.